le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Bernigauré, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum de ce vendredi 29 septembre est consacré à la rencontre des jeunes du G5 Sahel sur le thème La voix de la jeunesse au Sahel. La rencontre a eu lieu en juin dernier et a regroupé 46 jeunes issus des cinq pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. C'est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité qui a eu cette initiative. Les échanges qui ont duré trois jours à Bruxelles ont tourné autour des thématiques comme le rôle et place des jeunes dans les sociétés sahéliennes, les défis et opportunités, les jeunes face à l'emploi, les migrations des jeunes et la radicalisation des jeunes. Votre studio va s'approfondir sur les raisons de cette rencontre et les objectifs visés pour cela, nous avons comme invité l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Raoul Mateus Paola. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'être venu et merci de nous honorer donc en venant dans ce studio. C'est un plaisir. Le reste des invités sont tous des jeunes qui ont participé à la rencontre de Bruxelles du 15 au 17 juin dernier. Il s'agit de Nafissa Yakuba Soumela, vice-présidente de la Jeune Chambre internationale JCI Niger 2016. Bonsoir Nafissa. Bonsoir. Merci d'être venu. Maman Sanusi Abdel Nasser, jeune entrepreneur dans l'agro-business. Bonsoir Maman. Bonsoir et Maman Kakatouda, qui est juriste de formation responsable de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Bonsoir Maman. Bonsoir. La voix de la jeunesse au Sahel entendue à Bruxelles pendant trois jours, l'initiative est de l'Union européenne. Alors, pourquoi, je veux m'adresser dans un premier temps à l'ambassadeur, pourquoi l'Union européenne veut entendre ou a voulu entendre les voix de ces jeunes du Sahel voilà, d'abord, euh, merci beaucoup de me donner l'occasion de, d'aborder un peu ces sujets. Vous savez que la jeunesse est au cœur des préoccupations donc du développement, donc des questions de développement. Et comme vous l'avez à juste titre indiqué, donc c'est la haute représentante euh, de l'Union européenne, donc Madame Mogherini elle-même, qui a souhaité, euh, qui a tenu à inviter donc un ensemble de jeunes, donc 46 en tout, donc des euh, cinq pays euh, du G5 en marge d'une réunion qu'elle a organisée donc avec les ministres des Affaires étrangères euh, du G5. Donc effectivement, donc comme, vous le savez, donc les jeunes c'est l'avenir donc partout dans le monde, hein, donc d'un pays. Et je crois qu'il est extrêmement important qu'ils soient associés aux réflexions, donc au développement, au Sahel comme partout ailleurs avec euh, peut-être euh, certaines spécificités cependant donc dans le cadre du Sahel, c'est euh, le fait que ces pays, donc le Niger en particulier, sont confrontés à une explosion démographique, comme vous le savez. Donc vous savez, le Niger, c'est c'est le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé au monde, donc 7,8 enfants par femme en moyenne. Euh, les autres pays aussi ont des taux de, de, la même région du Sahel ont des taux de, de croissance démographique euh, extrêmement importants. Il est fondamental euh, pour pour ces pays pour qu'ils puissent décoller et émerger de d'abord de se préoccuper donc de l'emploi de ces jeunes, de donner des perspectives à ces jeunes, et en deuxième lieu de qui est des politiques, des politiques volontaristes également, permettant d'amorcer la transition démographique. C'est spécifiquement le Sahel. Pourquoi en comparaison par exemple avec l'Amérique latine, qui a aussi, ou peut-être même l'Europe elle-même C'est spécifique euh, au Sahel dans la mesure où de nombreux pays ont été confrontés au même, au même problème, à cette explosion démographique, mais ils ont amorcé la transition démographique. L'Europe elle-même euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y avait des familles en Europe qui avaient 18, euh, 20 enfants. Et puis, donc, dans les pays musulmans, donc, et ça je tiens à le préciser, donc, nombreux pays musulmans ont réussi à amorcer la transition démographique. Donc, des exemples sont nombreux, donc, l'Arabie saoudite elle-même, l'Iran l'Algérie, le Maroc, le Bangladesh, etc. Voilà quelques exemples. Mhm. Euh, vous avez parlé de l'Amérique latine. C'est tous des pays qui, d'une manière générale, ils ont amorcé la transition démographique. Merci pour cette précision. Je vais me tourner vers les jeunes. Euh, je vais commencer par euh, Maman Sani. Alors, comment vous avez accueilli cette invitation d'échanger autour des préoccupations des jeunes du Sahel Tout d'abord, on tient à remercier l'Union européenne pour l'invitation cette rencontre euh, s'est très bien passée à Bruxelles. On a presque tous les mêmes problèmes, les jeunes du G5 Sahel. On a presque toutes les mêmes réalités aussi. Donc euh, on a eu un cadre d'échange assez important. On a, échangé, on a beaucoup échangé sur la question des jeunes face à l'emploi, la création de l'emploi aussi. Non, ça c'est les thématiques. veux savoir quand on vous dit venez, vous allez discuter de vos préoccupations en Europe à l'Union européenne. Comment vous l'avez accueilli bon, on Que l'Union européenne qui s'intéresse à vos préoccupations. On, l'a très bien accueilli, dans le sens où euh, on, a, on, a aussi parlé de nos préoccupations face à, cette thématique de l'emploi des jeunes. Donc, euh, en gros. C'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative qui a été appréciée de tous. comment vous avez apprécié cette initiative de l'Union européenne et surtout de la haute représentante. Donc, euh, tout d'abord, lorsqu'on m'a approché par rapport à, ce colloque qui va se tenir à Bruxelles, c'est vrai que je me suis posé mille et une questions parce qu'on nous a pas parlé au tout début des thèmes, mais quand même, je me suis dit que je suis jeune, ça va être une opportunité de, m'exprimer et toutes les questions seront les bienvenues. Donc, euh, ça a vraiment été une grosse opportunité que j'ai appréciée. vraiment, on a pu s'exprimer, j'ai pu m'exprimer personnellement et j'ai dit tout ce que je pense par rapport à tous les thèmes exposés. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, nous allons prendre les jeunes face à l'emploi. Quelle est la perception de l'Union européenne sur cette question dans, dans le Sahel Exactement. Donc, je crois que c'est une euh, un vaste débat. Donc, euh, la question de l'emploi. Euh, euh, <laughs> d'abord, euh, bon, évidemment, on va, on va se concentrer sur le Sahel, mais elle se pose, il faut le préciser. C'est une, une, problématique qui se pose ailleurs, hein, dans toutes les sociétés, parce que la problématique de donner des perspectives et des emplois des gens, ça se pose aussi en Europe et ailleurs. Mais avec une plus grande acuité ici au Sahel, notamment à cause de, de l'élément euh, que, j'ai déjà souligné, donc à cause de l'explosion démographique, donc du nombre important de jeunes, effectivement. Mmh. Quels sont les données que vous avez et qui vous inquiète à ce point Alors, euh, ce qui m'inquiète, euh, c'est pas c'est pas une inquiétude, mais c'est un constat en fait. Hein. c'est plutôt un constat. C'est que si vous voulez, donc un pays comme le Niger, euh, qui a un taux de croissance de 5 à 6 par an, il est matériellement impossible de répondre en termes de développement à ce rythme de, de croissance démographique. Donc ce n'est pas possible. Il faut en moyenne, un moyenne construire à peu près 3000 écoles euh, par an pour donner des perspectives aux enfants d'être scolarisés. Euh, il faut former des enseignants. Euh, donc c'est une tâche gigantesque. Euh, il est évident que voilà donc euh, des perspectives doivent être faites dans ce sens-là. Et je suis convaincu. déjà, hein on en fait beaucoup. L'Union européenne, vous savez, est le premier partenaire euh, donc du Niger en termes de développement, en termes d'appui budgétaire euh, dans les différents secteurs, que ce soit éducation, santé, euh, développement rural et sécurité alimentaire, infrastructure, sécurité, appui à la gouvernance, justice. Donc les secteurs sont nombreux. Mais il est évident que, et c'est là où je crois que je voudrais vraiment insister sur le fait qu'aucun pays ne peut pas se développer seulement avec de l'aide, je crois, ni avec l'État, le secteur public. Je crois qu'il est, fondamental euh, de, que le climat des affaires euh, puisse, euh, puisse évoluer favorablement pour attirer des investissements. Le secteur privé a un rôle extrêmement important. Et puis en termes d'éducation, l'éducation aussi, ça a un rôle fondamental. Quand je vous dis que euh, que je vous dis qu'il est impossible, vu avec le taux démographique actuel, c'est pas une fatalité, parce que vous savez, je, tiens à préciser que d'autres pays ont connu hein, les mêmes situations. Donc, et je crois que une des meilleures réponses, il faut des politiques volontaristes, mais une des meilleures réponses, c'est l'éducation. Vous savez. Et, et là-dessus, par rapport à l'éducation, je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas seulement travailler sur la quantité, mais sur la qualité de l'éducation. Parce que ça ne sert à rien de recruter des enseignants euh, qui eux-mêmes sont mal préparés, peut-être sont mal formés, et après forcément donc les enfants vont être ne, seront pas bien préparés, etc. Donc il vaut mieux investir sur la qualité aussi de l'enseignement. Euh, Maman Kaka, les jeunes face à l'emploi, vous, vous cette réalité ici au Niger et dans le Sahel avec les autres jeunes. Quelle caricature vous pouvez nous donner sur la, préoccupation, la question de l'emploi au Niger, par exemple Écoutez, euh, la question de l'emploi au Niger, c'est vraiment une préoccupation nationale. Hein. Quand vous prenez un peu euh, toutes les politiques menées jusque-là, n'ont pas répondu aussi aux attentes. Surtout aujourd'hui, le système est complètement à terre et ce n'est pas aussi dû à la faute seulement des, États africains. C'est aussi en partie toutes les réformes entreprises par les différents, notamment la réforme de la Banque mondiale du FMI, penser qu'on allait réformer pour que le système éducatif change, pour qu'on ait une éducation de qualité, mais aujourd'hui, à l'épreuve de fait, on se rend compte que toutes les politiques menées jusque-là ont montré leur limite. Et surtout aujourd'hui, quand vous prenez le pays, un pays comme le Niger, avec ce système de contractualisation, aujourd'hui, vous allez avoir des enfants qui viennent jusqu'en classe du CM d'eux qui n'arrivent même pas à écrire leur nom. Et ça, je pense que c'est vraiment, il appartient parce que la clé du développement d'un pays, la clé du développement du Sahel passe inévitablement par l'éducation. Alors c'est pourquoi il faut absolument investir dans cette éducation. Maintenant, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes chaque année des milliers de jeunes vous prenez juste le cas spécifique du Niger, sortent avec leur licence, certes avec leur maîtrise, mais il n'y a pas d'emploi. Si la fonction publique n'arrive plus maintenant à absorber les jeunes diplômés, je pense qu'il faut absolument, comme M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, tourner vers d'autres euh, alternatives possibles. Et c'est en cela que l'entrepreneuriat désormais des jeunes doit être une alternative absolument qui doit faire en sorte que désormais les jeunes puissent être absorbés. C'est pourquoi nous nous encourageons euh, fortement pour qu'on crée de l'emploi et surtout créer les conditions pour que dans nos États désormais, l'informel puisse être combattu. Parce que ça aussi, c'est un tard. On va revenir sur ce thème propre de l'emploi. Nafisa, Jeune Chambre internationale, euh, c'est quand même le cœur hein, de la jeunesse. Ah Comment vous comment vous, comment vous analysez cette histoire de manque d'emploi, de problème d'emploi mhm. Merci. Oui, c'est vrai que. Et comment ça se ressent ça, Ce manque d'emploi, s'est c'est répandu partout au Niger. Donc, euh, nous en sommes conscients et aussi notre équipe a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, euh, c'est surtout, euh, comme vient de le dire mon collaborateur Kaka, il faut maintenant avantager l'entrepreneuriat de, la jeunesse. Et donc, dans ce sens, il faut revoir euh, le système de garantie pour faciliter cela. Vous avez des chiffres sur euh, les jeunes et le chômage Non, pas exactement. Donc, ben, je, tout ce que j'encourage aussi, c'est que ces jeunes partent vraiment vers euh, l'entrepreneuriat et essaient de développer le secteur privé. tout ce que j'ai à dire dans ce sens, c'est il faudrait que les jeunes aussi prennent conscience que l'État ne peut pas tout prendre en charge. Tous les jeunes qui sortent des écoles privées, de, l'université, ne peuvent pas être absorbés par euh, la fonction publique. Donc il faut vraiment se tourner peut-être vers l'entrepreneuriat des jeunes. Et vous êtes un exemple à euh, ce Voilà. Vous, êtes dans le secteur de l'agro-business. Oui, je suis dans le secteur de l'agrobusiness, je fais les intrants et les matériels agricoles. Monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué la question de la qualité de l'éducation, mais l'emploi aussi, vous, pouvez avoir une éducation de qualité et ne pas avoir l'emploi. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce niveau et comment vous comptez accompagner nos États pour vraiment résoudre le problème de l'emploi Effectivement, donc euh, l'éducation c'est extrêmement important. Mais comme j'ai indiqué, et comme euh, les jeunes euh, que je tiens à féliciter, parce que je trouve qu'ils ont leur analyse me semble tout à fait pertinente et font preuve d'une grande maturité et, d'expérience. Euh, eh bien, donc, je vais répéter un petit peu ce qu'ils ont déjà dit, à savoir que pour, pour qu'il y ait du développement, il faut que les conditions soient réunies pour que le secteur privé puisse jouer un rôle extrêmement important. Il y a énormément d'obstacles, je vous dis. Un des obstacles que je vois euh, en Afrique, d'une manière générale en Afrique, dans les pays du Sahel, au Niger, un peu partout, c'est l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, euh, des jeunes entrepreneurs. Donc c'est extrêmement difficile. Les taux d'intérêt pour emprunter sont vraiment énormes. Donc, je veux dire, donc il n'y a pas d'accès au crédit. Donc, raison pour laquelle, euh, donc là, je crois qu'il faudrait voir, voir un petit peu comment faciliter donc l'accès, euh, l'accès au financement par des systèmes de garantie. Et dans ce sens-là, donc, je voudrais mentionner donc une initiative de l'Union européenne qui a été décidée au Conseil de l'Union européenne de Bratislava de répliquer donc un plan de développement qui a été mis en œuvre par le président de la Commission, c'est ce qu'on appelle le plan Juncker, pour euh, euh, faciliter donc des investissements avec effet multiplicateur. Et donc il est prévu donc une initiative pour l'Afrique euh, avec des systèmes de garantie d'un 1,4 milliard d'euros et avec un effet levier qui espère donc avec l'objectif de à peu près 45 milliards d'euros d'investissement. Voilà, c'est juste un exemple que je vous donne, mais c'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il y a la problématique du secteur informel. Donc, euh, une des difficultés, c'est que le secteur formel est extrêmement réduit. Donc, euh, il se limite à quelques entreprises. Et après, il y a toujours la tentation des États de faire des ponctions fiscales dans ces entreprises, parce que c'est les seules qui permettent une assiette fiscale euh, et évidemment, ça dissuade après les investissements, donc euh, parce que ce n'est pas évident lorsque les entreprises sont les, rares entreprises qui sont euh, qui sont sur le marché sont ultra taxées ou, alors avec parfois avec des contrôles fiscaux. Ce n'est qui, ne, qui ne rendent pas facile le climat des affaires. Donc, je pense que c'est des réformes qui doivent venir progressivement avec euh, euh, la transition du l'informel. Qui sont, bien sûr, bien, bien sûr, ça, ça fait partie donc des discussions qu'on a. mais on sait que c'est, on sait que c'est pas des sujets faciles parce qu'il y a des réformes. Nous stimulons avec nos appuis budgétaires. Vous savez, l'Union européenne euh, donne énormément d'appuis budgétaires, c'est des dons. Euh, donc, euh, bon, les prochaines années, ça sera à peu près 5 millions d'euros par an. Donc c'est beaucoup d'argent euh, pour la trésorerie, mais ils sont liés évidemment à des indicateurs euh, pour stimuler des réformes. Alors, l'une des préoccupations, enfin, l'une des résultats de ce manque d'emploi des jeunes, c'est vraiment la migration. C'est une question qui tient beaucoup à cœur l'Union européenne. Pourquoi vous en faites un peu Parce que les gens migrent réellement vers vous, vers chez vous. C'est pour ça que vous en faites une préoccupation. Alors, la question des migrations, la question des migrations, c'est une question vraiment euh, sensible. Euh, pour l'Union européenne et un peu partout en fait. Hein. ça pose des problèmes, euh, ça pose des problèmes, euh, ça interpelle par par l'effet massif. et mais je voudrais distinguer deux cas de figure la situation d'une part des réfugiés, des personnes qui nécessitent une protection internationale, qui fuient les guerres, qui fuient les euh, qui fuient parfois des dictatures ou des pays où il y a des déficits démocratiques, où les gens sont menacés. Pour moi, ça me semble évident que la communauté internationale, donc l'Union européenne, mais pas seulement l'Union européenne, <laughs> donc, quand je parle de la communauté internationale, c'est au sens large du terme, doit prendre ses responsabilités et accepter, donc donner asile à ces, euh, à ces personnes. Donc on a des drames en Syrie, on connaît très bien, des, dans d'autres pays. Euh, donc ça, c'est un cas de figure. Et puis, il y a l'immigration, euh, qui est l'immigration illégale, qui pose problème. Pose problème pourquoi Elle pose un problème énorme dans la mesure où il y a des passeurs, des trafiquants qui profitent de la misère des gens euh, qui s'enrichissent sous le dos des gens pour les envoyer à la mort, euh, sans scrupule, sans aucun scrupule. Et je crois que les opinions publiques sont extrêmement choquées de voir les bateaux, et même au Niger, puisque le Niger est un pays de transit, euh, un pays de transit où ces migrants passent, euh, les gens qui, euh, les cas qu'on découvre où les gens meurent de soif dans le désert, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Donc on doit combattre et par contre favoriser la migration légale. Migration légale. Alors, Maman Sani, vous êtes jeune, quand vous voyez tous ces jeunes euh, qui cherchent à aller vers l'Europe, puisque c'est la principale destination, vous, trouvez que c'est normal, non Bon, je, je, ne dirais pas que je, vais, je trouve que c'est normal ayant moi-même fait mes études en France, bon, moi j'ai fait le choix de rentrer, de revenir. C'est vrai, c'est pas, c'est difficile, mais il le faut souvent, il le faut, parce que aussi le monde est en train de connaître une crise économique. C'est pas que l'Afrique en ce moment. Tout à fait. Parce que tu, tu décides d'aller là-bas, eux-mêmes n'ont pas de boulot. Donc, euh, ils n'en ont même pas pour les autres en réalité. Donc, vraiment, ceux qui sont en train de vouloir y aller, à mon avis, ils n'ont qu'à mieux économiser ce, ce, dont ils ont pour créer des emplois, pour faire d'autres activités. Parce que souvent, c'est beaucoup de fortune qu'ils mettent à travers les passeurs, justement, pour y aller. et, vraiment, ils peuvent ils peuvent l'investir ici. Donc, vous avez plus de conseils que euh, de doter quelqu'un. Voilà, j'ai plus de conseils que de, comme vous l'avez dit, doter quelqu'un. Voilà. Nafisa, la migration des jeunes, vous trouvez cela normal oui, bien sûr. il n'y a pas d'emploi, donc il faut aller chercher ailleurs. Et c'est ailleurs, là, c'est l'Europe. Euh, la migration, en fait, a toujours été un phénomène euh, normal depuis tous les temps dans, toutes les communautés du monde. Donc, euh, je, ne peux pas dire que c'est un phénomène normal, mais peut-être qu'il faut voir les, il faut voir les moyens, il faut agir sur la migration irrégulière et aussi voir comment il faut revoir aussi la politique de l'immigration euh, choisis. Et il faut faire aussi des sensibilisations pour, pour les jeunes par rapport aux, fuites euh, de cerveau. Et vous, vous interpellez qui quand vous dites qu'il faut voir bon, J'interpelle euh, surtout les, les jeunes par rapport à, à la sensibilisation pour ceux qui partent étudier et qui trouvent normal de rester là-bas pour toujours. Ils peuvent revenir investir au pays et ici, vous voyez aussi, même pour partir, il y a des investissements qui se font. Il y en a même qui essaient de vendre euh, des terrains ou des maisons pour aller là-bas. Pourquoi ne pas rester chez soi et investir cette somme dans, dans, euh, dans une idée qui peut, qui peut rapporter quelque chose pour soi et même pour le pays euh, Kaka, vous avez parlé des licenciés, des maîtrisards euh, qui, qui, qui ont leur diplôme, qui ne savent que faire, qui n'ont pas d'emploi, mais qui cherchent à aller, oui, qui cherchent aller en Europe, par exemple. C'est une question de responsabilité. Hein. Il faut le dire très clairement. Il appartient aux chefs d'État et de gouvernement des pays africains, notamment du G5 Sahel, de nous créer des emplois. Parce que ça fait partie des engagements nationaux et même internationaux. Ils ont pris devant le peuple nigérien, devant le peuple du Sahel, qu'une fois qu'ils seront dans le système, notamment à la gestion du pouvoir, qu'ils mettront tout en œuvre pour que les jeunes aient accès à l'emploi. Ils ont même des programmes avec des chiffres, euh, avec euh, des, trucs très chiffrés, mais sur le terrain. Mais quand on parle de l'emploi, par exemple, de quel emploi on parle est-ce qu'il s'agit d'avoir un emploi pour une semaine, pour deux semaines et comptabilise dans les personnes qui ont été et de l'emploi. Parce que quand on parle de l'emploi, au sens vrai du terme, c'est un emploi décent, un emploi qui nourrit la jeunesse, un emploi qui te donne à te prendre en charge, à te Il faut tenir compte des, ressources qui sont limitées. Non, mais écoutez, ça, fait partie ça fait partie des engagements, c'est de la responsabilité. Gérer un État, c'est prévoir et c'est une lourde responsabilité. Si tu sais que tu ne peux pas assurer, je pense qu'il ne faut pas venir euh, chercher. Et par rapport à la migration, dont vous parlez par exemple les autres ont dit, c'est vraiment un droit humain fondamental sur lequel euh, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut créer les conditions pour que les gens partout sur les territoires nationaux et internationaux là où ils peuvent travailler de manière régulière, je pense que moi je suis de ceux qui encouragent cette migration. Mais je suis aussi contre la migration illégale parce que quand vous prenez aussi les drames que nous voyons, rappelez-vous tout ce qui s'est passé à Lampedusa, des milliers de personnes meurent. Ça c'est ce qu'on voit parce que les médias du Nord également ont une lourde responsabilité. Ils essaient de criminaliser cela. Je pense que nous, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut rendre un peu humain ce truc. comme c'est des êtres humains. Mm-hmm. Mal, quelle que soit l'illégalité, il y a l'obligation de la communauté internationale à les protéger également. Parce que, ce n'est pas parce que c'est illégal qu'il mm-hmm. faut laisser mourir ces gens-là. Est-ce qu'à ce, niveau-là, l'Europe fait de son mieux pour... L'Europe fait de son mieux parce que, rappelez-vous un peu de le 11 et 12 novembre 2015, il y a eu un grand sommet de notamment le sommet de la balette, euh, où les chefs d'État et gouvernements des pays africains ont pris part. Et l'Europe s'est engagée à hauteur de 1,8 milliard d'euros pour essayer d'accompagner les États africains dans ce sens. Je pense que nous, au Niger... C'est un engagement qui s'est concrétisé là, je, suis, je ne suis pas dans le sillage du pouvoir pour mm. savoir, je n'ai pas la réponse peut-être, mais je sais, je, suis, je, suis, je sais une chose, c'est que le Niger, à travers notre président de la République, a demandé à peu près 700 millions d'euros pour travailler dans ce Sahel. Aujourd'hui, on a vu la mission de l'ECAP Sahel, tout ce qu'ils font un peu au niveau d'Agadez, au niveau avec les retournés de l'Algérie, de la Libye. Mais une chose est sûre, j'ai dit une fois de plus, je pense que la migration illégale, surtout tous euh, euh, tous ceux qui sont là en train de travailler, travailler euh, dans, la misère des autres parce que c'est toute une chaîne, ce qui passe le Niger est un pays de transit vers Agadez. Rappelez-vous des de 92 migrants qui sont morts dans le désert. Depuis lors, nous sommes en train de nous euh, de prendre des politiques pour un peu décourager. Mais je pense aussi qu'il y va aussi de la responsabilité nationale et internationale de créer les conditions pour que les jeunes, partout là où ils se trouvent, puissent être euh, pour ah. avoir accès à un emploi. Alors, Nafisa, l'une des conséquences en dehors de l'immigration des jeunes, c'est la radicalisation. C'est un concept qui est en vogue ces derniers temps. Comment vous comprenez cela, la radicalisation des jeunes La radicalisation des jeunes, c'est vrai que c'est un phénomène euh, qui est d'actualité. Et on, est en train de voir surtout que c'est dû à des concepts religieux mais moi, je pense que ce n'est pas du tout cela. Euh, c'est dû peut-être à. On a parlé tout à l'heure de manque d'emploi, peut-être des frustrations euh, des jeunes qui ne sont pas satisfaits, qui, sont en manque de ce qu'ils cherchent et ils s'adonnent à des réflexions et ce qui fait qu'on les capte facilement pour d'autres euh, faits. Donc euh, je me dis que c'est n'est pas du tout bien, c'est très mauvais. Et il faut toujours sensibiliser ces jeunes. Pour qu'ils ne le fassent pas. Pour qu'ils ne le fassent pas, bien sûr. Maman, vous avez des exemples de, radicalisme au Niger, par exemple Bon, je pas d'exemple de radicalisation, de radicalisme. <laughs> Mais j'ai juste, juste un mot à dire là-dessus je, sais souvent aussi que ceux qui sont radicalisés ne savent rien de l'islam en réalité. En réalité, le plus souvent. Donc vraiment, maintenant pour peut-être essayer de combattre cela, c'est en faisant des sensibilisations et en créant de, l'emploi pour ma part. Monsieur l'ambassadeur, euh, le concept de radicalisation des jeunes, certains disent que c'est inventé en Europe certains estiment. Est-ce que c'est cela Qu'est-ce que comment vous vous percevez ça Quelle définition vous lui donnez Écoutez, donner une définition de la radicalisation n'est pas simple. Et comment ça se manifeste pour vous Alors, comment ça se manifeste Donc, la radicalisation, euh, vous savez, euh, elle se manifeste euh, par une rupture, en fait. Hein. un manque d'intégration sociale, essentiellement. Donc moi, je, partage à ce qui a été dit. et de tout temps, hein, vous savez, en Europe, où, euh, au début du siècle, il y avait des anarchistes, euh, il y avait des gens qui étaient prêts à, se, à tuer et à se tuer. Donc à un moment donné, on franchit un cap euh, où les, les, les, personnes ne sont plus intégrées. Donc en fait, c'est un grand, un grand échec. Donc c'est une incapacité d'intégrer d'intégrer les personnes. Alors il y a bien sûr un facteur religieux, donc on panier parce que puisqu'il y a un dévoiement des religions et donc et c'est euh, puisqu'il y a beaucoup de groupes extrémistes euh, qui euh, qui naissent autour de l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, ça on le sait, mais qui utilisent quand même la religion, donc l'islam, pour pour se radicaliser dans le sens où pour aller tuer, pour décider d'aller tuer, pour décider d'aller mettre des bombes ou pour décider d'aller s'exploser soi-même. Donc c'est quand même incroyable. C'est, je veux dire, alors euh, bon, alors au niveau, au niveau, le facteur religieux, je crois que il est important quand même. Je crois qu'il ne faut pas le négliger. Je crois que en, faire abstraction, à mener vie à mon avis, c'est quand même une. Donc, je crois qu'il faut absolument pas stigmatiser une religion et l'autre, mais ce dévoiement, je crois qu'il est dangereux. Il est dangereux. Et puis, vous savez, je crois que c'est, je crois que, encore une fois, la meilleure réponse à ça, c'est l'éducation. Je vous donne un exemple. Boko Haram, par exemple. Boko Haram, ça veut dire anti-éducation occidentale. Donc, c'est un sentiment, c'est un rejet du modèle occidental, donc de l'éducation. Euh, donc, c'est un rejet, en fait. Donc, l'éducation, c'est extrêmement important. Il faut donner accès et accès, intégrer les gens leur donner des perspectives. Donc, encore une fois, je crois que la réponse est sociale, euh, etc. Euh, mais je crois qu'il faut aussi euh, faire attention avec des mouvements extrémistes religieux et peut-être et peut-être un peu trop fondamentalistes aussi, qui ne sont pas dans les traditions, par exemple, d'un pays comme le Niger, qui a un islam tolérant au départ, donc avec certains courants liés ça ne veut pas dire qu'il y a un passage direct entre ça et le terrorisme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien direct. Mais ça peut faciliter dans la mesure où ça, lié à la pauvreté, ça permet peut-être aux gens après de faire le pas, de se radicaliser et de décider de commencer à tuer euh, des gens, hmm. etc. et c'est ce qui se passe en Europe aussi. Hein. Euh, Cher jeune, vous avez donc participé à la rencontre de, de Bruxelles, c'était à la mi-juin. Alors, Monsieur Kaka, vous êtes un de ceux qui sont partis là-bas, vous tous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre de Bruxelles Vous avez échangé avec euh, la délégation, avec l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, euh, De mon point de vue, ce qu'il faut retenir, c'est que au Sahel, on a des problèmes effectivement énormes. C'est surtout un problème de la sécurité depuis l'effondrement de la Libye en 2011. Aujourd'hui, quand vous prenez le, le nord Mali est en crise, quand vous prenez l'est du Niger, notamment avec le phénomène de Boko Haram, où beaucoup de jeunes sont en train d'être recrutés dans ce c'est aussi un problème économique. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que l'espace sahélien ou le Sahara, l'espace sahélo-saharien de manière générale, puisse être un espace sécurisé, viable, et vivable, je pense qu'il faut absolument créer les conditions pour que euh, euh, les jeunes puissent accéder à l'emploi, pour que les jeunes ne se radicalisent pas. Et je retiens fondamentalement que c'est vraiment euh, un très bon moyen, c'est un très bon mécanisme que l'Union européenne a eu, a eu à mettre en place. Il appartient désormais à nous jeunes et à nos chefs d'État et de gouvernement, à nos États de poursuivre ce que l'Union européenne a posé comme arbre. Et c'est surtout ce que je retiens et nous nous battrons pour que cela soit une réalité. Nafisa, est-ce qu'il y a eu des engagements Est-ce qu'on a promis à la jeunesse de l'argent Est-ce qu'on a promis des emplois pour ne pas peut-être migrer ou etc., et combattre euh, le, problème de chômage Est-ce que c'est ce qui est ressorti de la rencontre je ne dirais pas qu'on a promis de, l'argent ou de l'emploi pour empêcher les, migrations, mais quand même, il y a beaucoup de promesses que nous allons tenir ensemble pour pouvoir euh, pallier à tout cela. Donc euh, nous, euh, je dirais... sont ces promesses Oui, c'est de travailler ensemble avec la jeunesse. Et parce que nous avons fait comprendre que la jeunesse n'est pas seulement le futur, mais également le présent. Donc c'est surtout d'impliquer la jeunesse dans tout ce que tout ce qu'on fait dans nos différents gouvernements pour pouvoir euh, être rassuré que ceux qui viennent dans nos pays sont réellement utilisés là où on, veut exactement. Maman Sani, vous avez eu l'impression que ça va changer après cette rencontre On espère que ça va changer et on y croit. Et nous remercions aussi Madame Federica Mogherini d'avoir initié cette, rencontre. Et, pourquoi vous dites ça en un mot En un mot, parce vous espérez que ça va changer Parce qu'elle nous, nous a très bien écoutés et elle, dit qu'elle a pris acte et, on pense qu'elle va essayer de faire changer les choses. Monsieur l'ambassadeur, rencontrer les jeunes à Bruxelles, est-ce que c'est leur donner, qu'est-ce que vous leur avez c'est leur promettre beaucoup de choses et, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça va, comment ça va se passer c'est les fonds qui vont être doublés euh, euh, Donc, euh, moi, je pense que c'est une très bonne dynamique qui a été mise en place de réflexion. D'ailleurs, il y a une rencontre, comme vous savez, entre les jeunes et la délégation de l'Union européenne en présence avec des autorités, donc la ministre de décentralisation et le secrétaire général aux municipalités. On a eu des débats intéressants. Il y a beaucoup de choses que l'Union européenne fait. Euh, évidemment, ce n'est pas la responsabilité de l'Union européenne, c'est la responsabilité du gouvernement nigérien. Donc l'Union européenne est là pour aider, pour accompagner, pour stimuler, mais c'est pas du tout la responsabilité de l'Union européenne de donner des emplois pour les jeunes. Ce qu'elle peut faire, c'est dans le cadre de ses programmes qu'elle développe euh, et qu'elle renforce, de tenir compte de la problématique des jeunes. Pour paraphraser donc euh, la haute représentante, Madame Mogherini, euh, donc il faut pas travailler pour les jeunes, mais il faut travailler avec les jeunes. Donc il faut les impliquer, comme ils l'ont dit très très justement. Alors voilà, donc moi je vais essayer de rappeler que euh, les problèmes, les défis sont importants. Il n'y a aucune fatalité. Donc d'autres pays euh, dans le monde qui ont émergé, qui se sont développés, ont connu des étapes similaires. mais il faut évidemment des réponses euh, il faut euh, poursuivre donc les réformes euh, en termes de gouvernance. L'éducation, c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là que ces pays, des pays du G5 Sahel, vont entamer donc la transition démographique, qui est une condition, parce que je crois qu'il faut quand même la transition démographique pour faciliter les réponses de développement, parce que c'est très compliqué. vous avez en face de vous des acteurs qui vous comprennent et qui agissent vraiment dans le sens là quand vous parlez des États Oui. Euh, en tout cas, au Niger, oui. Donc, euh, moi, je peux parler pour le Niger. Donc, je, suis ambassadeur au Niger. Je tiens à préciser que euh, le président Issoufou a pris des engagements donc lors de sa prestation de serment notamment et puis dans son programme de réduire la démographie. Donc je crois que ça ça fait partie de ses engagements. Donc je crois que c'est un je crois que c'est extrêmement important. c'est des sujets qui sont pas faciles. Et donc, c'est courageux. Donc, je crois que ces réformes, il faut les faire. Pour revenir un petit peu en mots sur la migration et aux efforts, euh, vous savez que vous savez que le Niger est un pays de transit. Je tiens aussi à souligner le rôle extrêmement important des pays africains euh, dans, dans, le Niger lui-même, extrêmement généreux pour accueillir des réfugiés, euh, etc. Donc, bon, rien qu'à Difa, le Niger a à peu près 280 euh, 000 personnes déplacées. le Niger a demandé une aide à l'Union européenne. Où est-ce que vous en êtes ben, ben, L'Union européenne est le principal partenaire, encore une fois. Donc, peut-être qu'il faut interpeller d'autres membres de la communauté internationale et euh, qui peuvent venir, parce que l'Union européenne continue à donner et à fournir, mais c'est déjà le premier partenaire. Hein, et on va renforcer. Mais pour revenir aux migrations, le Niger est un pays de transit. Donc, il y a la volonté de l'Union européenne via le Trust Fund qui a été, euh, qui a été mentionné. Donc, le Niger est le pays qui bénéficie le plus. Il y a des projets de résilience, de formation professionnelle, d'emploi pour les jeunes, d'agriculture. Il y a 108 millions d'euros de projets qui vont se mettre progressivement en place dans les régions d'Agadez, euh, Oui, oui, d'ici peu. Donc, euh, qui sont en train de se mettre en place. Ces projets ont déjà été adaptés, adoptés. Et euh, après, évidemment, donc l'immigration illégale, il faut la combattre. Il faut donc les migrants qui les migrants euh, qui sont victimes des passeurs et euh, qui qui, qui, risquent la mort en fait, qui risquent leur vie. évidemment, il faut les accompagner, les aider pour les faire retourner dans leur pays d'origine et donc l'Union européenne prévoit un renforcement des aides dans les pays d'origine aussi pour essayer d'intégrer et faire des campagnes de sensibilisation, etc. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, nous venons de recevoir pour ce forum euh, qui a traité de la rencontre des jeunes du c 5 Sahel sur le thème La voix de la jeunesse au Sahel. Nous avons reçu l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Raoul Mateus Paula. Merci beaucoup d'être venu. Et aussi les jeunes qui ont participé à cette rencontre, Nafisa Yakuba Soumela, vice-présidente de la Jeune Chambre internationale JCI Niger 2016, Maman Sanoussi Abdel Nasser, jeune entrepreneur, et Maman Kaka Touda, Touda juriste et alternative espace citoyen. Merci euh, d'avoir accepté cette rencontre. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.